baba si ba kare nuruno ni dan wora kai nan da bera si ba kare an dunya arzaka maga na fusi nai maga ne je irima ba irima don borai don don ne zai ima di fo ga ke patanya ko sai kan ya dara iya si dugale ba na onya mo ba ni nyama oh yakubi mun gode <laughs> amunan mu na tusa alafada salut amis de tous à la fada ravi de vous retrouver cikin wannan sabon shirin namu na samedi amina ku ta kullun ce rabia mai kano o micro on espère bien que muna nan yin bankwana da wannan annobar ta covid-19 Personnellement, un tel bouleversement à cause d'un virus, on ne voit ça que dans les films. Film qui m'a comme tsoro. Gaskiya film qui m'a c'est ban tsoro. Pendant plus de deux mois, tout était fermé. École, gare, duka wasu chaque shakatawa duka an Même si la vie reprend son cours, moto ci irin wannan bisu sun fara yawo kuma duk wasu wurare dai na shakatawa an fara bude su. Wannan shirin dai mun gayyato yau wasu a ce mazan fage mutanen scène mun des artistes mun des comédiens, des dj su zo hiran, muna hira ya ne harkokin nasu su kasance ya ne rayuwar ta kasance wannan sanitaire kin wannan fadar tamu kamar kullum tana tare da kronikinta Olive, ya kake ai ça va bien bah, aujourd'hui, on va répondre à une question. Je nous demande est-ce qu'on va apprendre à vivre avec euh, le coronavirus Est-ce que le Didier doit apprendre à mixer pour des gens qui sont avec des masques Est-ce que le comédien doit apprendre à faire des ah, vannes pour des gens qui sont euh, avec des masques ou bien qui sont à un mètre de distance Beaucoup de questions qu'on se pose et on se retrouve à la fin pour euh, faire le point. Merci J'ai hâte. <laughs> à tout à l'heure, Olivier. Nous avons aussi de la musique et la nouvelle rubrique. La abokin aiki na don dike sarrafa muna a kowane sati yau muna da wani babban bako yakbi safa kana lahiya Allah lahiya da safa rabi safa biyan alhamdulillah muna tare haraka comedy club représentant ko a ce promoteur ake ko na haraka comedy club <laughs> Ahmed Ousmane ça va tu vas bien Sandunchi ravi ben sois le bienvenu sur Merci. toi c'est DJ Wali, DJ en boîte euh, les soirées privées ona atki saro ne fara tunda aka ce da ai confinement mu ma gida muke zama kenan ga mun nan a gida zamne kuma muna da wannan makwabcin namu kuna tana wannan mai sudurgin wannan shi ma yana bada nous accompagne quoi ben aucun spectacle aucun festival Komi ya tsaya yakbi bari in gare ka kana iya gaya muna kuma ku zai fi set crise sanitaire cikin wani yanayi ya ne harkokin suka zama lokacin da eh bon mu group yana akwai mm. wace shekara kusan eh, mu grup yana a kowace shekara mm. eh, sallolin da ake na musulmai kama babban sallah sallar ramadan da na tabaski mm. akwai babban wasa da muke ma yara yanzu har ma sun saba tun ko da bayu pbc ko ba mu yi koyo ba in dai sallah ya kai sun san automatic ma akwai wasan grup yana da muke musu a kyan sai sai oje mm. mai madrid ma sai tafasi a cause di corona sallar nan ba mu samu yi ta ba Wow. ko don ka eh, ita dai ne sinon kowa ya san da automatic ma babu wasan mai abu ne dukkanmu ya, ya, ya shahin mu sartin mu eh, mu da ke organize mu amshi kuɗi gare su mai su ma ba su ba su ji daɗi farsiya abu ne da sun saba da shi ka abu ne da sun saba da shi ni akwai waɗanda sun ke yara ƙananan su da ba su da ba su gane mene a abin ga kiwon mm. su azuku akwai wasan mutane da yawa eh, rassallan in kun tayi kuna gan su bakin sai sojo suna tsaye Pauvre petit chéri. Ahmed. Mm-hmm. Toi, Haraka mm-hmm. Comedy Club, le mm-hmm. stand-up, le rire, le fou rire. là, Comment t'as fait pour gérer ce manque, ton public qui n'est pas là, et puis toi qui peux pas. ina iya kwatanta miki shi da hausanci ni hausanci ne na gaya fa kullum ana ce eh Allah ah, aka ce no no no taba da hausanci ah, tun da muke ba taba da hausanci ba ana ce zabarmanci ko hullanci ko buzanci to ni ina iya kwatanta miki da hausanci Eh? and what tu want tout, est, tout ton public, quoi. Donc, tu veux mettre. C'est c'est moi, tu veux mettre tout ça, quoi. On y va, je tout mu Mouda, tun da aka ce ka a yi taro de plus de 50, eh, personnes. Ah, moi, j'ai dit à madame, prends tes clics et claques, on s'en va. Hein. Mais le problème, c'est on va aller où Donc, euh, sincèrement, c'est vrai que avec Covid, là, ça a beaucoup, euh, ça, beaucoup entraîné euh, des choses, enfin, pas négatives, mais en tout cas, ça nous a bloqué énormément. Parce que euh, nous, nos spectacles, on les organise mensuellement, c'est par mois déjà. Chaque mois. Donc c'est chaque premier Là, ça fait combien de mois, déjà que Ça fait maintenant le, troisième, on en a fait pour mars, donc avril, mai. Et là, on est début juin aussi, on n'en fera pas. Donc, aïe, euh, aïe, ça fait que tout le monde a la mine serrée parce qu'il n'y a pas Et les gens nous écrivent, c'est-à-dire, c'est ça. Les gens nous disent, parce que euh, comprenez qu'avec le confinement là, c'est-à-dire rester chez soi ou en tout cas sortir le moins possible, ça fait en sorte que d'autres sont devenus hystériques, c'est-à-dire dans la tête, euh, ils sont devenus. Euh, ah oui, je te dis. <laughs> je te Ils disent, mais quand est-ce que vous allez recommencer On en a besoin, on en a besoin. Et c'est vrai. Mais, mais nous, sincèrement, je peux vous dire que de façon directe et même indirecte, ce virus a joué énormément dans nos Et vous n'avez pas pensé à faire un truc genre euh, sur Internet Comment Justement, parce que... Et tout ça, oui, ils ont ils sont accompagnés, ils ont des budgets. Mou mouillent en ligne, déjà, ils mouillent en ligne. C'est pour. Euh, on est sûr que notre public va voir, le, va voir les retombées, ils vont rire à la maison. Mm-hmm. Mais euh, même pour avoir la connexion et se connecter, à un moment donné, c'était vraiment difficile. C'est-à-dire, même pour avoir la connexion, même pour avoir. Euh, c'est vrai, ils ont dit. فك هو يكون من فرنكو فرنكو 2000 2000 كينش اها الناس هو اورجانيزي سا والله والله فلا فلا ما بين والله رابي لا لا ما كنا اذا D'accord. dans an commis de komi da komi gaskiya wow. Là, on est en chômage technique ba aiki sai zaman gida kawai mais heureusement moi je travaille sur mes productions je prépare un album donc okay. ina aiki et hmm. je fais également des fois des lives récemment hier j'ai fait un, petit concert live donc avec quelques ah artistes oui sur ma page c'était où ah ah, sur ta page Oui, bien sûr, sur ma page Facebook, C'est fun, ça Ouais, on est à peu près 4000, 4000 vues, donc ça va. Ah oh oui ouais. Ah, ça le fait, ça Ouais, bien sûr. Même si, c'est des cachets que vous ne pouvez plus toucher, banda ma wannan kotan harkan kuɗin kin wannan. Kaman wa'annan matasa masu sha'awar sha'awar ganin ku. Ya ne kuka jiran su kai tu m'as dit ça t'a fait quoi de voir ces enfants suna nan bakin city oje suna nan suna jira comment vous avez fait pour gérer ça Ça, c'est aussi dur, hein Bon, c'est dur parce que da ya hito eh, wajen Allah. iko doka yake a ruhe komi ka a ni ban ma iya bari yara su gani parce sun gani suna tambayin ya ne yaushe ne wasan. Parce har ma lokacin sallan na kai ma ana kira mu ana mun misali ana kira mu kuma akwai lambobin biskan wakokin mu ana kira mu ana mu akwai wasan babu muke a ah, set fasi babu wasan muna ke musu eh, surtout ke abin da ya dan ruha mana asiri kaɗan da harkakin confinement muke ba mu hita balle a ganmu yanzu dai kun ga muna tare da wa'annan manyan bakin namu yanzu mu shurari dondi zai zo mana da rubrikin fada muna so mu ji da wani artist ne ya hira cette fois-ci on va l'écouter Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Eh c'est une nouvelle rubrique, les gentlemen, sur votre émission Tous à la Fada. Comme vous le savez, depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, nous avons reçu déjà plusieurs célébrités sur cette émission pour parler de leur engagement et comment est-ce qu'ils voient la lutte contre le coronavirus. Nous recevons aujourd'hui un grand monument de la musique nigérienne, membre du groupe de rap Joro Ça veut dire certainement beaucoup de choses, n'est-ce pas Voilà avant d'entamer une carrière sur les and Gentlemen, ces tubes les plus mémorables sont Manigo. Ça vous dit certainement aussi beaucoup de choses. Vous connaissez certainement aussi le titre So et, eh, euh, ou encore Namba Namba. Je pense que vous avez déjà compris. Maïsani Norgo Kande. Ladies and gentlemen, notre rubrique artiste engagé contre le coronavirus reçoit l'artiste. So, <coughs> Idi Serti, je te souhaite la bienvenue sur l'émission. Tout ça, la fois dans la rubrique. Euh, l'artiste exprime. Comment tu vas contre le Covid-19 euh, Je vais bien, Dieu merci. tu pètes la forme hein? Oui, je pète la forme. On sait que tu es aussi engagé à fond dans la lutte contre cette pandémie. as déjà enregistré un premier euh, titre avec, Avec un collectif bien sûr. Ensuite, vous avez encore un autre projet avec Yakbi et Nana Uba qui est toujours en cours. en dehors de cela, on t'a vu aussi euh, à travers euh, la fondation, la la première dame euh, dans le spot. tu as aussi chanté, c'est ça Oui, on a fait six chansons, je crois, en, différentes langues. En fait, on a fait une chanson de, de, 30 secondes, donc dans les différentes langues. Attends, Idi, je voudrais te poser une question. Mm motivation. Mm. Mm. Tu peux me parler de ça Cette motivation dans la lutte contre le coronavirus, ton engagement motivation kinga coronavirus les mesures de restriction pour éviter la propagation du coronavirus sont pratiquement tous levées hein, parce que déjà euh, les écoles sont euh, en principe euh, ouvertes les cours d'une manière ou d'une autre ont débuté un peu partout alors tu penses quoi de tout ça alors que le virus continue toujours tranquillement à circuler ici au Niger To eh, a kwanakin baya da wannan eh, cutar ta shigo Niger, eh, gwamnati ta ɗauki wasu matakai kamar aka tsaye da mutane ba su zuwa masallacin an like an like lakola an yi haka an yi haka amma kuma ta gaya mana abin da ya kamata mu yi comportement da ta ce mu yi don ka wannan al'umma ta ji wannan kira na gwamnati ta bi wannan Eh, eh, comportement ta bi wannan abun da gwamnati suka ce a yi suka bi eh, kuma yau allah da girman shi ya kai bayan watannai gwamnatin da ta diba ta gani cutar ta koma baya don sai ta bude wuraren yanzu ba wannan ba zai sa mu zo yau mu ce a kenan mu dawo ga mu na da ya kamata yau ne kwamba ya fara inda sun gai cuta ta koma baya ba kamar ba ta ɓace ba ne ta koma baya har gobe in aka gani da abun ya ciyo gaba za a ƙara kuma liƙe wuraren ga kenan abu da ya kamata mu yi wannan kwamfortama eh, da muka yi zuwa yau cutar zuwa zuwan ta Nijar zuwa yau ya kamata wannan kwamfortama mu tsira su ya zama kaman eh, eh, abincinmu ya zama kaman abin shanmu da, da kowane lokaci su ne zami su ne miye su abun kariya eh, ya kamata mu tabbata eh, wannan kariyar da eh, gwamnati ta gai dubun gaisuwar fata alheri zuwa gare ka yi disarci to barin tambaya wani abu kana yi wani abu kamin mu tashi daga nan wo bisa kawowan ga sauti nike so a wani abu manigo nan tana birge ni là, wallahi barnigo tana birjini tana mannigo mannigo mannigo ay fundi baka mannigo Merci Disserti, ladies and gentlemen. On se prend donc dans un instant sous l'émission. Touche la fada. C'était la rubrique. Hey. Muna tare da su Mohamed Haraka Comedy Club. Nous sommes avec DJ Wally, les platines. Wiki, wiki, wiki. C'est ça, non, <laughs> Nous sommes avec euh, Yakbi. Yakbi. Ayumanya. Ni da shi kare ne. avec Yakbi. portable ina. In ba don daban da guda. Waya aka kabar Yakbi. ita zo wanda ita ba. To sai sai da kin partir da Sai da kin partir don da yake kawai mutum bar ta mu yi a bango akwai za ta zo j'espère que Allah wataran ka zo mana da ita insha Allah <laughs> bon dukkan lokacin da kuka zama a gida mais Kokaï, comment vous avez optimisé ce temps Genre, on peut s'attendre à du lourd après ou quand vous étiez confi confiné comme des confitures ou je sais pas comme des sardines et puis vous n'avez pas ah, voulu mais, hein, pour n'importe quel, artiste ah, hein. pour n'importe quel artiste pour n'importe quel artiste euh, en tout cas digne de ce nom il, il est toujours en, en manque de temps et aujourd'hui avec Covid ce n'est pas vraiment le temps qui nous a manqué c'est-à-dire on a vraiment eu le temps zamna c'est vrai pour nous autres mariés il y avait notre combat il y avait notre combat à Facebook t'es sûr que t'as eu le temps d'écrire un texte ou t'as oui, pas oui, le temps oui, oui, oui en tout cas en tout cas en tout cas pour nous autres humoristes c'est pas c'est pas les idées qui ont manqué, sincèrement. C'est-à-dire, euh, on en a eu des idées, on en a écrit plein. On, attend seulement que les portes s'ouvrent pour qu'on puisse déverser toute l'expérience qu'on a. Amen. covid covid covid covid ah. Ah, bah, ça nous a déjà traumatisés. Maintenant, non, vous allez revenir avec des ah, scènes eh, Covid encore. en tout cas, en matière d'humour, c'est ça. Moi, par exemple, si je viens vous expliquer que c'est pendant Covid et le confinement que, je me suis rappelé du prénom de ma femme, par exemple. Aïe, aïe, aïe <laughs> Pourquoi Parce que les bébés ont disparu, quoi. DJ. Hmm. Tony Gani. Tu as même fait DJ Wali. Tu as un concert. Ah, moi. <laughs> Ana aiki ko des yake komi ya tsaya ba abin da yake shigowa yanzu amma dai ba mu tsaye da komi ba a gida ake komi yanzu eh, a gida muke live mu muke invitan kuma mawaka su masu zo amma da in su bon la vie son mhm. yanzu wannan deconfinement kin wannan annobar da ita dai bata yi ba kuma kun san da an buɗe wuraren kuma vup tout le monde ba. là-bas sai kuke ganin wa'annan yaran naku za ku shirin su da laye kenan da yawa je un Eh, kuma comment public est-ce que vous un an qui an espace kin su dauka bon ça serait difficile parce que wanda ke iya y ya tara mutum dubu hudu dubu dubu sankiri person ah. sa distance un mètre. kawai haƙuri kawai za mu yi in wannan annoban ya ta yi sai mu yi da mu yadda kamata mai eh, kamar kin harkar garin kwa kin gari ko kuma mutanen da muke harka da su la sape se faire example nan da muke kowa na eh, musa emet mm, tsakanin muna mm, mm. hira muna zamne eh, in mun tai wajen harka ayyukan mu example ni ina da studio ina in mun zo studio muna ki ban kowa ya saba vet din shi kowa ya wanke hannun shi kowa ya zo me in dai wajen concern na saturday difficile parce que bayiwa baiwa mm. akwai waɗanda akwai waɗanda suke zo su biyar biyar kama ake yin fami mutum ya zo da yaran su su biyar kawai ake to il ke ka tayi nan an metar saka a kusa tsakanin ku an metar ko da yaran ku da kun kawo gidan baiwa ku gane ku don ka abin kawai za mu iya yi mu sai dai mu isan su bizan mutane su eh, su yi respectan abubuwan da an kace mu yi da ke kare eh, mu da wannan annoban ni na ga na karanta au ah, eh, burkina ils ont repris les, les, concerts dans les salles en tout cas donc et eh, oui ils exigent maintenant que comment akao wani système a kowa ya, ya hannu kuma babu tike gishe babu gishe kaman kan yanda kana yi ka, ka naka Mm. avant le concert. Tu vends tes tickets avant le concert. Il n'y aura pas de système de guichet hein, sur place. Et puis tout le monde doit porter bavette. Tout le monde dans la salle doit porter bavette. En tout cas, j'ai vu ça. J'ai vu la note là. C'était même, même un conseil de ministre. Tiens, moi, je suis sûr que Sashi Nanga. Et ça peut le faire, non ça va? Oui, bien sûr. Achia ah, qui a parlé de 5, 000. Euh, c'est les, ceux qui fabriquent les bavettes là qui vont. <laughs> Leur business va.

Yakbi était en lune de miel, confinement, chérie qui a eu voyage, dans la table de chota, kaza sa. <laughs> Kawai shi waka inda ba ta mata shi bace ba yasu. <laughs> To, yanzu mu shirari matan armi ta ayu banya. Eh, iyaye mata yan nai da kannuwa na gaishe ku. so na ɓata ¡Gracias! yi mata na aure ku gyara gidajen ku kar ku yi sakaci mata yau waje su kwace kan mu kula da mata aujourd'hui avec nos hommes hein, de la scène, Yakbi, avec son grand concert. Chaque euh, fête de Ramadan, chaque fête de Tabaski. Nous sommes avec euh, Haraka Comedy Club, où je dirais le promoteur Ahmed. Nous sommes avec DJ ali euh, le, le prince des platines. Ou le... studio Comment ils ont fait eux pour euh, gérer cette crise sanitaire a lokacin da aka yi wannan confinement kin ya ne suka yi harkokin nasu ya ne suka jiran ya ne suka tsaya kuma yanzu la vie reprend ya ne za su gérer fan kin su da za zo les spectacles et tout ça la vie reprend me zaka ci musu kan wannan déconfinement kin a gane kuke wani irin shawara za ku ba su euh, Ahmed <coughs> to bayan su respecter un conseil parce que jusqu'à preuve du contraire la maladie est toujours là donc euh, il faut qu'on se qu'on se protège et qu'on protège aussi nos, familles. Donc, mais euh, sous un thème kansu, ils n'ont qu'à se dire kin de da na Non, je vois ça vient donc euh, inshallah la vie va revenir à sa normale donc, oui, abonnance. ce n'est qu'une question de temps, oui patience kadan. Eh, <laughs> je, crois que selon les, les, les, résultats, on a fait au moins en six jours euh, un seul cas pour Niamey ou deux cas pour Niamey. Donc ça veut dire que petit à petit, euh, on est en train de vaincre cette maladie. Inch'Allah, elle va s'en aller. Oui Allah quand même. to bon en tout cas ni abun ke ni eh, abun zanga gaya musu hmm. bon abu gudan ne kawai kun san gaskiya guda ne kamar mu saurara abun da eh, shugabannin mu suke nan gai biskan harkan eh, kiwon mu sa ba vet mu kamu ya kan kama in bai mu da sautan su normal komai zai zo da yayi ba sai san sayan kawai saboda ina so in ta yi wasa in ji daɗi hmm. kuke rayuwa yau har da yake da in ke na ki biya abinda abinda an ce mu bari kenan kawai a koma baya kuma ana ana koma baya ne don gara kowa ya tsaya yadda an kace kawai dc period insha Allah in dai komina na zuwa daidai sai a ce kawai da da da akwai wannan kiwo mun ya kanga da da akwai kun gane ku vraiment Allah dai kuma ya kara eh, Allah ya sa kiwon gannan zuwa kaɗan ake bam sunan shi ma ne bam so mu Yeah, ravi. <laughs> Merci beaucoup à toi, Ravi. Ça va? ça va tranquille. bah, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si vous n'avez jamais vu Rabi, c'est que vous avez raté beaucoup de choses. <laughs> Alors, Ravi, la question de la soirée, c'est doit-on apprendre à vivre avec la COVID-19 puisque c'est d'elle qu'on parle ce soir ah, ah, hein, Oui, bien sûr, d'une façon ou d'une autre. Euh. Quand on est des acteurs dans le film COVID <laughs> on est des acteurs dans le film Covid, c'est Ravi Maïkano qui l'a dit. Et on se rappelle que, et on se souvient, et on se rend compte que le monde se remet peu à peu des peurs suscitées par le coronavirus. Mais combien de temps il nous faudra pour apprendre à vivre avec la COVID-19 Entre les craintes d'une vie sous pression de COVID-19 et l'envie d'une vie normale, le monde est partagé. Une étude récente de l'OMS relate que le monde devrait apprendre à vivre avec le virus, c'est-à-dire qu'un retour à la normale n'est pas évident en si peu de temps. Se laver les mains, porter des bavettes, tousser dans le creux du coude. Bref, désormais, ces mesures barrières doivent faire partir de nos habitudes. Ah Alors, comment s'adapter ces questions suscitent des réponses. Et eh bien dans la chronique de ce soir, chers amis, je nous propose d'observer les quelques décisions sanitaires prises de l'évolution jusqu'au recul de la maladie. D'abord, il est recommandé de laver les mains régulièrement, ce qui a poussé les entreprises à installer des dispositifs devant ou au sein de leur clôture. Olivier, attends. Oui. Parce que, en fait, je me suis calé dans un coin là. Ok. Tu dis, on doit porter les bavettes euh, tout le temps. Bah, on se demande, c'est des questions. Est-ce qu'on doit continuer par. Genre, on doit porter bavette comme, comme on porte rouge à lèvres et lips là. Voilà Pour l'instant <laughs> d'accord ah, c'est pour l'instant La situation risque de durer un peu. D'accord. Alors, Rabbi, outre les bavettes, tousser le cou dans le creux du coude afin d'éviter la propulsion des virus. Alors, tousser dans le creux du coude afin d'éviter la propulsion des virus. Et bien évidemment, Rabi, comme tu portes ton foulard, est-ce qu'on doit toujours continuer de porter des bavettes pour se protéger du nouveau coronavirus Alors, eh bien, ces trois mesures resteront encore longtemps dans nos habitudes, je dirais même très longtemps. Et pourquoi pas après la période du Covid, car Prévenir vaut mieux que guérir et adopter des mesures barrières pour éviter de tomber malade est un geste prudent et bien évidemment légitime. Alors, chers amis, pensez-vous qu'on doit garder certaines de ces mesures barrières Réagissez sur les réseaux sociaux du studio Kalangou et bien évidemment, votre avis nous intéresse. Franchement, sans maquillage, sans rouge à lèvres, bavette. Mmh, oh mon dieu, ah là là, Mais <laughs> ben voilà, c'était Olivier et la chronique de la Fada nous allons dire euh, merci à nos invités qui étaient là. mun gode da kuka amsa wannan kiran namu kuma kama ana kuka gai wannan abin ya kamata a ce an ci gaba don kama koma baya an ci gaba da respectan duka wa'annan matakan da gwamnati ya ce a ɗauka su don dai mu samu a ce mun je harka comedy club a ce mun je spectacle kin ayubanya franchement on <laughs> la fin vous supplie de continuer à respecter et mesures et qu'on puisse retrouver nos vies, quoi. C'est la fin de tout ça, la fada. Du samedi, le dimanche, vous serez avec Dondi qui va parler sur... Écoute, Rabi, euh, ça va On va parler donc euh, du Covid-19, toujours, Rabi. Secteur culturel et pandémie du Covid-19 entre crainte et sport d'un lendemain meilleur. On espère un lendemain meilleur. N'oubliez pas le numéro magique de la FADA 80 06 88 à 54. Vous pouvez réagir, donner euh, vos impressions, vos avis, nous proposer des choses. On est là pour vous. Bye bye, amis de tous à la FADA. Bye Bye bye.